dañoo defar benn programme bu njëkk bi askanu Pikine dañoo bëgg sécurité defar une police municipale li léegi lëndëm day jeex ci département de Pikine am nañu fonds boo xam ni day financer les projets des jeunes boobu fonds day financer également projet jigéen ñi Macky Sall dafa leen a menacé ci boulimie foncière bi nga xam ni dafay favoriser Abdoulaye Timbo ñuy sëkk la zone des ñaay la zone du Technopole élaboré avec la direction des eaux et forêts un plan d'aménagement de saytu forêt classée au le département de Pékin mérite des routes aux normes internationales pour les jeunes je prends l'engagement d'octroyer 10 000 bourses de formation service c'est un guichet pour l'emploi des jeunes Digeni, nous allons les structurer comme une bounette am ben réseau de femmes qui xamni moy regrouper les groupements de femmes les circonstances tay ño wane un duel avec le candidat de la coalition Wallou ak le candidat de la coalition Ben Bokk Yakar motax ma len di talal loxo ni len ñu ñew leur frère de l'opposition bu ko faits, la victoire est acquise

le peuple sénégalais m'a Abdoulaye Wade du troisième candidature Doukoumaï ko du troisième candidature Pikine dans son ensemble pour l'alternance à la municipalité de la ville de Pékin et pour l'alternance dans toutes les communes détenues par Benno Bokk sur l'étendue des douze communes de faire un programme de Google, c'est ñett axe bu njëkk bi Pékin dañoo de sécurité faire une police municipale de l'église du département de Pékin. nous allons mettre un terme à la boulimie foncière dans la zone du technopole en restituant à ces zones sa vocation écologique pour protéger Élaborer avec la direction des eaux et forêts un plan d'aménagement pour forêt classée le département de Pékin mérite des routes aux normes internationales pour les jeunes. Je prends l'engagement d'octroyer 10 000 bourses de formation. Ben service c'est un guichet pour l'emploi des jeunes. nous allons les structurer de sorte que comme une nekk am réseau de femmes regroupées, les groupements de femmes dañoo toog ci cet appel solennel à mon frère Magueye et à toute la coalition eu un du département de Pikine nous sommes dans une situation de duel au sommet entre deux candidats qui restent dans la course le candidat de Wallou Sénégal et le candidat Benno Bokk Yakaar milliards yi milliards